from Sadio Mane! Et le Sénégal mène 2-0. Henderson forward. Daniel Sturridge. And support from Sadio Mane. à tous les téléspectateurs de la DTV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Team Inter. Vous avez entendu l'ambiance des stades Moham Fi au Sénégal un peu partout dans le monde. C'est le deuxième gagné qui accompagne l'équipe nationale du Sénégal. Ça se comprend. Ils ont chauffé la salle. Mais Amna Tibène Bo bien. en fait, Madame tout le temps. vous plaît, vous, si vous, vous, si vous, vous, si vous, si vous, si vous, si vous, si vous, j'ai entendu le sonorité boo je pense que ni dootu bëgguma sa quand vous avez parlé de Aliou et les Lions une en une minute à ca on t'aime Aliou on c'est une très belle chanson ça nous rappelle cette qualification à la Coupe du Monde pour la troisième fois le Sénégal qui avait éliminé les Égyptiens fële le woon fële Et dans Maître Abdoulaye Wade et on va commencer cette émission tout de suite nos invités du jour euh, ou bien je vais l'appeler Pape Wali Faye qui est le dirigeant le euh, président section bourg, Petite Côte Pape Wali, dirigeant sportif Pape Wali qui aime le sport

du nuyu Mounir du nuyu suñu invité yi. di jéggalu tam ci retard bi. dëkk bee xaw xat. jéggal nañu ne embouteillage la. mu ngoog voilà. Mounir. nuyu nañ la waaw ziar naa la waaw fay naa di hmm? euh, retrouver Team Inter. Hmm? di mu daanaka mun naa si kër gi la bokk. di hmm? dalal aussi suñu benn invité bi Ngom. kii juste à ma gauche. donc di xaar yaakaar waxtaan bi fu ñu jëm Sénégalais gis seen bopp euh, ku nekk aussi jàng si dara. Mme euh, Mamoudou Barangom, joueur de 22 ans qui est évolue en Italie, n'est Italie du football. Euh, euh, euh Mamoudou, quand j'ai vu sa photo avec la squadra Azura, j'ai dit que c'est un talent bon le Sénégal perd Mais moi, je vais parler un peu italien. Euh, je dirais la Juventus de Turin. dit, exemple, voilà le Milan AC. La Juve sera une grande squadra, besoin fare multi attenzione. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit là-bas Voilà, faut. ma ne yow équipe bu mag la. Mhm. mais il na def attention. voilà Maodo Mam nuyu nañ la. maa leen di la remercier. Mhm. pour invitation bi di nuyu tamit ñi fi toog. Mhm. ami Maodo accent bi sax du accent olof de. Ah, <laughs> mais mais Pape war nga dégg italien parce que am nga ci mm, non <laughs> pas tout à fait. anglais oui mais italien non. ah oui di Ibrahim si, Sy moom itam société de Stock City dans daanaka dans si na léegi nii et c'est comme ça que le ñu duggee ci li nga xamante ne sommaire émission bi tout de suite. Ah, ah. au sommaire de ce soir nous Tilinga qui li euh, Lyon Express euh, Kaiser Money et Bavarois Samba Diallo intéresse aussi le Bayern de Munich Ghana et Diallo indésirable au PSG Pape Ousmane Sacho, l'heure de la sélection euh, Bouli Junior Valère Ngagne Fall ces locaux qui risquent de quitter le Sénégal la minute de débrief bien sûr le football local ou champion ou coupe du Sénégal di dox ci c'est Casa Sport le Zitana. loolu c'est le dimanche sur le stade Nadjor, on a un collègue nii Mour, Petite Côte une côte trop petite pour deux clubs une fusion inévitable Lors xam directement Pape euh, championnat local un maintien difficile pour les promus Rubrique L'île de la semaine avec Soleiman Diagne. Le portrait du jour, le 11 mai et le temps additionnel. C'est le menu de votre émission de ce soir. Et c'est parti pour 90 minutes de football, plus le temps additionnel de 2 à 3 minutes sur faire Tenebi, C'est tout de suite. Lyon Express euh, Kaiser Mané et bavarois. Samba Diallo intéresse aussi le Bayern. Ghana et Diallo indésirable au PSG. Pape Ousmane Sarko, l'heure de la sélection. Euh, Pape Wali, Khamga et émission, tu as 1 minute 30 secondes. Et top, c'est parti. D'accord. Bon, je pense que pour Kaiser Mané, donc, le Bayern est une, équipe c'est une équipe très attrayante. donc oui attirer Star Barry. Donc pour Sadio Mané, je pense que c'est l'heure. Hein. Mhm. Donc on était tous pour qu'il quitte le Liverpool vu le livre. donc euh, je pense que côté de loolu Samba Diallo aussi intéresse le Bayern je pense que c'est le moment aussi le Bayern c'est un grand club qui aspire et qui attire beaucoup de jeunes footballeurs donc Ghana, et Abu Diallo, c'est le moment. Hein. C'est moment, vu tout ce qui s'est passé l'année dernière. Presque Diallo n'a pratiquement pas joué. Mhm. Pour Ghana aussi, il y a beaucoup de troubles au PSG. Mhm. Donc c'est le moment pour que Mouki le PSG, de monnaie, c'est pas ailleurs. Mhm. Donc c'est lié c'est très normal. Hein. Le championnat sénégalais ne nourrit pas son homme. Donc dès que ces jeunes joueurs-là trouvent l'opportunité de monnayer leur talent ailleurs, c'est normal que nous dem cette en quelque sorte. సత్తం పిచ్చింగ్ సుందరయాలు శాస్త్రి సుధులం అవుతారట ఫోటో వారు munir tey sun gan gan dañ koy exempté ci Lyon Express bi. ci yow laa jëm si directement. moom dëgg laa ne commencé commencé. non non commencé ba mu déclenché chrono Sophie la. Sophie pourquoi ngay def lii mu nir yow a nir yow commencé gul ngay déclenché pour nous quand même Sophie c'est pas sérieux. waaw kon je vais commencer. waaw Sadio ça fait plaisir. deux watt chrono bi à zéro. Sophie et puis du question xaalis que parce que précise la ak aura bu mu am ci football. boo xoolee accueil bi que Bayern réservé ça montre que Bayern am na fu mu teg Sadio Mané te Allemagne am na fu ñu ko gis. donc aussi à un moment donné Sadio c'est le moment où jamais 30 ans de football. tu a tout gagné avec le Liverpool, c'est le moment de, partir ailleurs, où tu es désiré, où tu te sens à travers le projet. une équipe qui partir un football vertical et que ça aussi devenu flexible, à un moment donné, vous êtes dans l'axe sur les côtés, ben, sur ce côté donc euh, il, est, il est arrivé à bon port. Donc Samba Diallo aussi, bon, dès que le mouille Dynamo Kiev, c'est boy, mais je me dis, oui, venir au Bain, c'est bien, mais je sais que venir au Bain, c'est équipe campus bi amateur jeux amateurs équipe première parce que sur le côté c'est tellement fourni il y a Sadio il y a Mouziala il y a Coman il y a Nabi il y a Leroy Sané mm-hmm. waaw qui va alterner exactement donc c'est compliqué donc si vous dana dem peut-être bañ Joko ko aale Bundesliga mm-hmm. bon si nous jouons locaux aussi c'est très normal parce que le championnat comme l'a dit Wal, nous pas son nom donc à un moment donné nous ñëpp que c'est un rêve Moi, dem à l'étranger jéem a am dara mm-hmm. euh, Gana je pense il est temps aussi mu dem parce que Vitinha ñoo ne un militaire portugais mhm. dans l'enjeu du PSG day gën a xat mhm. Abdou Diallo moom hésiter je pense l'une des premières choses yu war def balaa vacances yi jeex mooy lijjanti son club ah d'accord mais man foofu dama ci damay euh, euh, euh, damay damay ñëw ci lenn loo xamante ne bii ni benn question pour yéen ñaara ah. yow mhm. tamit su fekkee mën nga ci participer yaa ngi suivre championnat France a ñi ñuy wax nii yëpp yaa ngi ah, suivre voilà tey Abou Diallo nga wax ak ak ak Idrissa Gana mhm. pour Abou on a vu que ni ki nga xamantene ne mooy Campos nouveau manager daanaka sportif au Paris Saint-Germain mën nañu sa directeur sportif bien appelé pour appellation boobu amna joueur yo xamantene bi neene eh, ken kenn bëggatu leen ku ci melni Kurzawa à gauche c'est sûr que c'est le portugais qui va jouer Mendes mhm. euh, euh, est-ce que tey Abou Diallo amul chance des sous su Skriniar ñëwul

poste titulaire au niveau du PSG il y' a beaucoup de remous. et puis d'ailleurs, li fa bari. ay personnellement ça il n'a plus certainement pas le cœur à rester ce qui fait que pour de nouveaux challenges je pense que c'est beaucoup plus positif pour lui ça lui permettra de redémarrer et puis ay mais au niveau du PSG et moom si boppam xat na fa quoi qu'on puisse dire ak yi fa xew yëpp ñaari événement yi fa xew bi blessé l'autre Mbappé beneen bi avec le refus de jouer donc je pense que instant bi xat na pour moi. mais pour Abou moi je rejoins Mounira hein, il ne doit même pas hésiter pratiquement que na saison boo il n'a pratiquement pas joué te instant bii donc même ça c'est déterminant même pour ces sélections en équipe nationale. Mhm. parce que bu yàggee pas ne ah Pape Abdou Sissé, li football mais ëpp Abou Diallo du football. Mhm. xam nga entre Youssouf Sabali je pense à que euh, Sarr Bouna Sarr mhm. Bounassar ne jouait pratiquement pas au Bayern contrairement à Sabali mhm. donc l'histoire a donné raison à tout le monde mhm. pratiquement Sabali mon école, di jouer le plus mhm. actuellement si Abou Diallo continue de rester sur le banc du PSG est-ce que à un moment donné ne continuer de faire ko au détriment de Pape Abdou Sissé, qui est un titre indiscutable club c'est une question aussi qu'il faut se poser moi je pense que c'est l'heure pour eux pour que nous dem défier de nouveaux challenges. D'accord. accord nga sénégalais yi euh, Mamadou Ngom nga en Italie tey soo ces joueurs sénégalais du jouer championnat un peu partout lan la lay def. non kii nag gis niveau football sénégalais moom joueur joueurs dafa commencé yok. Euh, il faut parler fort waxal ci kaw. moo tax lu baax la surtout pour l'équipe nationale parce que gis naa ci dernière année le niveau de l'équipe équipe nationale bi commencé être kii indi nañ sax coupe d'Afrique gagné, coupe du monde bi sax mën nañ def lu lu baax foofu mhm. ma gis naa équipe bi moom am na niveau d'accord euh, Mounir moo mhm. euh, question bi mooy relancé euh, Pape Waly léegi par rapport ak ak Abou Diallo ak Idrissa Gana Gueye dañ koy enterré rek de waa dafay football waaw mais dañ koy enterré parce que mais déjà Villenaldoum on voit tout ce qu'il est dans qu'il est dans le doute. Mm -hmm. Oui, ouvre parenthèse, est-ce que de l'eau à Liverpool mm Ça aussi un autre débat. Ou le Newcastle. Ou le Newcastle. Mhm. Mais Ghana aussi, comme nous ne pas voir le Ghana à un moment donné, Tchol de Rotom. Mhm. Tchol, euh, euh, Murum LGBT, numéro 1, il faut que vous fait gâter. Vous pouvez gâter, mais vous avez appelé des médecins, des chirurgiens, profiter pour faire comme les gens publics. Parce que David Ben Insan aussi, deux fois, vous avez fait troisième fois bon mais les gens disent que c'est une blessure diplomatique bon mais en tout cas de euh, euh, il est indéboulonnable. Paradès muy muy mais on le dit comme ça c'est mais le coach qui va venir Galtier le gars

donc dem à moment on parle de lui au menacé le projet du menacé avec Maldini ça allait de tenir donc vous faut vous war na mën parce que tout le monde fa nekk jouer ak kanalu parfois qu'on fait jouer en défense en défense centrale mais aussi en équipe nationale qui ne ngi pas abuser. et moi, je me projette plus loin Moussa Niakhaté meilleur joueur de Mainz, capitaine de Mayence Présenté même en Angleterre. Me présente en Angleterre. au niveau de l'Atlético Madrid. Il 89 86 kilos. Il défend bien euh, euh axe gauche comme moi, il est allé dans devant à 3 aussi c'est une probable menace parce que vous yàggee coowal rythme de un peut être pour le rythme mais le est indiscutable en défense centrale dans le sur les reste, ce sont ces deux là Kalidou Koulibaly et papa. non <laughs> loolu mais mais le mais jusqu'à quand. Jusqu'à quand Parce qu'on va aller en Coupe du Monde, ce sera une histoire de. Euh, mais on peut de... certitude. Hein. Oui, de certitude, mais pas aussi, aussi quand on l'a fait entrer. On a vu aussi Abidjalo comment il a incarné le leadership. Oui, je sais, mais pas Abdou aussi, quand on l'a fait jouer, c'est deux matchs, il n'a pas de recul. Il est trop bon. Pas aussi, pas aussi Il est trop bon, il n'a pas de recul. D'accord. Donc, tu es quoi qu'on puisse faut il y a point d'interrogation. Et que aussi, beaucoup de temps, à Amazon, à presque, tu commences à un match euh, de raté, deux matchs de raté, et ah, comment douter, beaucoup moins douter. L'autre, s'il entre coup du Monde, les matchs, ça va vite. Chaque 5 jours, chaque 6 jours, Boagy installé, c'est fini. Hein? Mm-hmm. D'accord. Boagy installé, c'est fini, c'est important à, à, à dire. Euh, sommes c'est une belle invité, Ningisoga Yaksi aussi. Hein? Euh, du coup, nous aussi. Hein? Oui. Hein? <laughs> Mais tu es venu en retard. Hein? Un petit peu, un petit peu les embouteillages. Hein? C'est dur à quoi les embouteillages. Un les embouteillages. La circulation. Les, embouteillages, les embouteillages ont bon dos. Hein. Ah, c'est sûr. <laughs> Ibrahim aussi, il évolue du côté de Stock City en Angleterre. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez Ça va, je vais bien. Alhamdulillah, ça se passe Ça va, ça va. Et les vacances, ça se passe bien Ça va, ça se passe bien. Un petit peu de vacances, beaucoup de sport, surtout. Ah ouais Garder la forme. Et tu t'entraînes toujours Ouais, toujours. À Stock City ah, toujours ce ça se passe bien, ça se passe bien. on, Reprend, dès lundi. Ah Donc, euh, donc euh, voilà. On ne t'a pas parlé de Jane Fay par hasard à Stock City euh, J'en ai entendu parler. Ah parler il a vraiment marqué ses, il a fait ses preuves là-bas. Ouais, ouais, Même Même eh, du Bien hein? sûr. Il y a aussi Alassane Diao, peut-être moins, mais les deux là, que ce soit Mambirum ou Janfa, à un moment donné, même Janfa était capitaine de Stock City. Ouais, ouais c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. J'ai surtout entendu parler de Salif Diao, qui a fait énormément de, choses là-bas. Même au Sénégal, il a fait beaucoup de choses. Euh, j'ai vu son académie aussi, les, joueurs portent les équipements de Stock City. Euh, donc, voilà, surtout ces deux personnes que, j'ai beaucoup entendu entendu. du côté de Stock City D'accord. Euh, tout de suite euh, la minute débrief brief. C'est parti. la minute brief, nous avons dem le micro trottoir nous sur le football local ñëwaat ak sunu gars yi C'est tout de suite. waaw ku ne xam na ne équipe moom wàcc neexul wàcc moom. Euh, naa ne avancé parce que bu njëkk ba ni Sénégalais yi daan jógee def en masse dem seeraani match yi léegi amatul léegi championnat Sénégal day am sax nit ñi duñ ko yëg parce que promo bi amul normal sunu télé yi mënoon nañ di teg yenn match choc yi. comme ñu ne Pikine Jaraaf wala Casa Jaraaf match yu mag yooyu ñu koy tegal en direct ñu koy seetaan mais comme yooyu yëpp amatul championnat Sénégal day am yow nga dëkk Casa wala nga dëkk Pikine wala nga dëkk Jaraaf te doo ko sax dañuy góorgóorlu rek gis lépp loo gis nga nekk si départ da ngay jéem a góorgóorlu di ñafante di rayante te bu ñu la newoon Sénégal dina jël Coupe d'Afrique du nga gëm. waa mu ngi noonu parce que dañoo reyante ñaaxante gëm seen bopp a Casa Sport dañoo góorgóorlu ba jël ko. mais tamit lépp loo gis dañuy góorgóorlu rek. damay gis ni comme équipe yi dañuy yéeg rek fàtte liñ doon def comme yéeg comme commencé di xeex pour yéeg fulla gi daan jox équipe bi ak ak liñ ci doon dépensé bu ñu yéegee li 1 rek damay gis ne loolu day bàyyeeku. te dañuy gis ni tamit équipe bu jël championnat ba pare deuxième année ba da ngay da ngay wàcc. bon balaa maa ñëw ci euh, euh, Pape Waly ak euh, Mounir bon sunu deux invités yi li ci grave mooy. Euh, euh, euh, Amadou Si, Ibrahim Si, mon pratiquement il ne comprend pas le wolof. Mamadou Ngom lui il ne comprend pas le français italien là anglais tu vois on a un dilemme aujourd'hui <laughs> je ne parlerai pas anglais encore moins italien pour nos téléspectateurs Les di sénégalais je vais vous poser des questions en wolof vous allez vous débrouiller eh, eh, vous allez eh, vous débrouiller hein. débrouiller bon c'est pas grave euh, euh, comment vois-tu le football sénégalais, le championnat local Championnat local, je, suis. Je suis le championnat local. un euh, club ici de cœur Non mais tu suis quand même le football local. Oui, je suis de loin. J'ai vu que Casasport a fait de bonnes choses cette année. Mhm. Donc voilà, je suis de loin. Je pense que ça se développe, ça se développe pas mal. Mhm. Et euh, j'espère que ça va continuer à se développer, développer parce que le football sénégalais a énormément de talent. Il y a beaucoup de, choses à faire avec le football sénégalais. Mhm. Donc euh, je suis ça de loin et j'espère que ça va continuer à se développer. D'accord. Mm. Euh, est-ce qu'il y a un football local Football sénégal suivre ma ko lu mm-hmm. bari la mais bi ma fi ñëwee semaine passée nag soog a ñëw Sénégal demoon naa seetaan dernier match championnat Pikine. ok dem naa stade ndax sama sama papa sama yaay Pikine ñu juddoo. ok moo tax ma dem stade seetaan. mais maa ngi gis tamit su ma ko suivre sax mais maa ngi gis joueurs yu bari. nekk senegal ñoo ngi ñëw Europe. moo tax am nañ talan yu bari. d'accord ñoo ngi ñoo ngi Bobu, tu dans nga sol tuniku euh, squadra Zura, moi mooy tuniku euh, équipe nationale Italie comme ça prouve que le football nga équipe nationale Italie petite catégorie euh, lan moo waral choix bo, li tax nga dem football petite catégorie Italie voilà photo baa ngi la squadra Zura, pourquoi nga football petite catégorie Italie xanaa xalaatoo ni Sénégal war nga fi mën a Je jouer bi ma man na lépp naa xam presque ci Italie ci Sénégal li ma ci xamoon bariwul woon. Hmm. moo tax commencement ba Italie naa choisir naa mais di màgg maa ngi nii di màgg maa ngi commencé di xam dëkk dëkk bi. moo tax yaa ngi soog a ñëw Sénégal. non ñëwoon naa fi 2017. Hmm. mais yàgg na. d'accord te maa ngi soo nekk tuuti mag di commencé di comprendre ay affaires. Hmm. moo tax léegi bokkul par rapport ak bu njëkk. d' accord léegi bokkul ak par rapport ak bu njëkk tey waxtaan bi dina doy waar. Euh, euh, euh, sa sa sa sa papa ak sa yaay fi lañ dëkk. est que wax nañ leen ni réalité équipe nationale Sénégal te soo gisee Pape Abdou Cissé mu dëkk Pikine. yow say parents dëkk Pikine ban yëg ngay am ban ban sentiment ngay am ban yëg-yëg ngay am. si sentiment bu positif la parce que nu ne gis tamit fi sama ñaari waajur yi dëkk màgg tamit jour ay talent ñoo fay génn.

niveau bi day gën a kawe parce que nanay dem di football yeneen équipe nationale yu Angleterre Espagne France compétition bi day gën a kii am niveau moo tax na ne kii su la équipe nationale woowee moom soo nekkee xale na nay dem entre temps sa parents yi est-ce que euh, dirigeant Sénégal yi jot nañ leen contacter ou pas encore waaw amoon na ay contact yu ndaw mais après amul dara lu concret moo tax mu suñu fa année passée dara après dara kiiwul lan mo nekkoon say performance daaw foofu en Italie. daaw football naa Serie C. mooy mhm. troisième division. Mhm. Euh, Vibonese. Mhm. def naa fa dugal naa trois mais li ma football daaw bëri ndax presque maa ngi nii tamit ci blessure naa jóge saison bi. maa ngi nii di faju léegi ma léegi ma wér. dugal naa trois bi ñaari ki assist. d' accord bi dama bëgg nga nga nga wax ma image yi ñuy teg nii Eh, yan ak yan club la bii c'était contre kan bii ak ñan la woon nii Avellino ah Avellino Avellino oh. beneen image yi ban la bii ban la bii contre kii la woon ah, Fidelisandria Fidelisandria oh. ok beneen image yi ban la Paganese beneen bi encore même match bi la d'accord beneen bi pour même match d'accord Les li ma la bëgg a laaj balaa si avant que avant d'attaquer vraiment. Euh, euh, euh, fi est-ce que pour parler à qui est le club moo deuxième division ou la première division. Ah, amoon na kay fi mu offert yu bari fi ne vacances moi, peut te mercato bi le premier juillet nay commence. offre yi ñan la offre yi ñan la offre équipe la. kii amoon na eh, ay Monza Sampdoria amoon na. mais mais Monza ren la Sampdoria mu ngi mu ngi mu ngi première division. Serie A mhm. waaw. lan la ci équipe première bi wala équipe euh, deuxième équipe bi. foofu amul deuxième équipe. Mhm. foofu wala na ne dem signé. Mhm. ça dépend mën na fa toog wala ñoo able la. mën na am ñu able la deuxième division wala troisième division pour mën di football. parce que surtout Italie moom il est difficile jeune yi moom. bariwul ñuy football. Maintenant, tax est ci ëpp ñu ne deuxième division troisième division ni football. D'accord. Je tu ngi ñëwaat ci yow Mamadou balaa ma existe si ci pas pour aller wax ñu sentiment par rapport à ça euh, pour wax on a vraiment des talents mais il faut aller les chercher. C'est très important. Euh, Ibrahima tu as fait combien d'années à Stock City. Euh, cela cette année, c'était ma deuxième année et je pars sur ma troisième l'année prochaine. T'étais pas à Reims Si, j'étais à Reims. Je suis resté à Reims pendant cette année. Ok, mm. d'accord. Et pourquoi tu n'as pas joué en première division à Reims parce que tout simplement, j'étais encore euh, très jeune euh, quand, j'ai quitté Reims. on m'a dit tes talents, hein. de toute façon, on m'a parlé, on m'a parlé. <laughs> Mais j'étais encore très jeune, j'étais encore un talent brut qu'il fallait polir. Mhm. Et euh, la direction était différente à ce moment-là. Mhm. Donc euh, il fallait avoir prouvé dans un premier temps avant de, jouer en équipe première. Mhm. Mais c'était pas un manque de, niveau ni un manque de talent. Ah, on m'a dit, de toute façon, le niveau, c'était euh, loin de là d'ailleurs. <laughs> très, très, loin de là. C'était juste qu'il fallait voilà, polir un petit peu le, talent que j'avais. Et j'ai préféré également partir de, Reims pour venir en Angleterre. Et c'était le bon choix. en fait je discutais avec quelqu'un, il m'a dit, mais est-ce que ce n'était pas trop risqué qu'il reste en France Ça va être beaucoup plus facile que d'aller en Angleterre, là où le football est très, très, très difficile. C'est vrai, il y avait, cet aspect-là aussi. Euh, ce qui revenait souvent, c'est que voilà, j'avais besoin de durcir un peu mon jeu. Et il n'y a pas de meilleur championnat que, l'Angleterre pour ça. Et de toute manière, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les challenges. J'aime beaucoup les challenges. Donc euh, partir à l'étranger, partir en Angleterre, c'est pas quelque chose qui, m'a fait peur. Et voilà, sortir un peu de sa zone de confort, ça fait pas de mal. Ça me prépare, ça m'endurcit. Donc voilà, c'était un bon choix. D'accord, je vais te ramener en fait une vidéo là où tu as marqué un but et tu vas me raconter c'était face à quelle équipe. Voilà, c'est parti. Je tu me ramènes l'autre vidéo. Ça, c'est la vidéo de Momo hein, c'est ça On me ramène en fait la vidéo. Maintenant, euh, j'aimerais savoir, entre-temps, tu as eu des contacts avec d'autres clubs avant de quitter Reims pour oh. aller du côté de Stock City en France Oui, il y avait, il y avait plusieurs sollicitations. Ah bon, je n'avais pas Matassar par hasard Si, durant la Coupe du Monde, c'est ça. Ah donc voilà, à la sortie de la, Coupe du Monde, j'avais fait de, bonnes prestations. J'avais été dans les 20 jeunes talents de, la Coupe du Monde. Donc euh, à la sortie de ça, euh, il y a eu pas mal de, sollicitations mhm. et euh, on a fait le choix de, partir à, Stock City pour les raisons que j'ai évoquées avant, partir en Angleterre. Mhm. Ça me permettre de sur mon jeu, d'améliorer ce que j'avais besoin d'améliorer aussi. Donc, voilà, on a, fait ce choix-là. D'accord. Est-ce que tu côtoies l'équipe première Oui, bien sûr. Hein bien sûr. Durant les entraînements, je m'entraîne assez souvent avec eux. Donc euh, j'ai la, chance d'avoir pas mal d'expérience avec eux. D'accord. On a vu que Matassar a été, a, été, a, été, a été transféré du côté de, Tottenham, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore rejoint l'équipe première. Mhm. Est-ce que ce n'est pas le fait euh, de, garder les, joueurs pour ne pas en fait leur, leur, demander d'aller faire leur baptême de feu, raison pour laquelle on les garde, on les laisse mûrir pour mhm. pouvoir en fait sortir mhm. et faire de très belles choses oui, c'est sûr que euh, jeter un joueur dans la fosse au lion, c'est toujours un peu compliqué. Donc euh, garder un joueur en jeune, n'est pas tout le temps une mauvaise chose. Ça lui permet de, prendre la température, surtout dans le football anglais, qui est très différent, beaucoup, beaucoup plus dur, beaucoup plus physique. Donc euh, ça permet de, comme j'ai dit tout à l'heure, permet de, de, polir certains talents bruts ah pour les mettre dans les meilleures conditions. Est-ce que tu as eu des contacts avec, euh, avec, avec les dirigeants sénégalais Avec les dirigeants sénégalais, j'en ai eu, parce qu'il y, a la, y a des échanges qui arrivent avec euh, l'équipe nationale U20. Mhm. Donc, euh, oui. Le coach, c'est Demambay, hein euh, Malik Daf. Malik Daf, ok, d'accord. Mais l'équipe olympique, est-ce que tu as eu à avoir des contacts avec eux ah, C'est Dembambaye qui est, l'entraîneur de l'équipe olympique. Non. Mais tu as, moins de 20 ans, tu as 19 ans. c'est ça, j'ai 19 ans, oui. C'est ça Oui. Pour l'instant, pas de contact. D'accord. Euh, Pape Waly soo déggee euh, xale yi nga gis leen euh, ki ñu bëgg lool seen dëkk ils hmm, aiment leur pays ban njàngat ngay am Bon, c'est un sentiment de satisfaction, hein. mm. parce que nous, on n'a pas mieux que le Sénégal. Mm-hmm. Donc, auparavant, les c'est nous qui allions chercher ces jeunes talents-là. Mm. Mais avec Réveil, surtout avec ce championnat d'Afrique, mm. on voit que maintenant, tous les jeunes Sénégalais aspirent à jouer au Sénégal. Mm-hmm. En équipe nationale. En équipe nationale. Donc, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de talents. Même chez nous, il y a le jeune Aliou qui est à FC Bourges, mm-hmm. donc, etc. C'est un jeune de 19 ans etc etc comme je pense que même si côté bi est-ce qu'il y a des contacts entre euh, les dirigeants sénégalais actuellement le conseil que je leur donne n'attendez pas d'être contacté. allez vers eux. raison pour laquelle ils sont là. voilà <laughs> n'attendez pas d'être contacté il faut aller vers eux on a besoin de vous hein. que ce soit 18 U20 etc donc instant c'est réconfortant parce que tout le monde veut jouer au Sénégal. même s'ils ne connaissent pas nos réalités ñi nga judo Judo ou une fi yaro tous ils aspirent à jouer ici au niveau local. et c'est réconfortant. parce que ça a été tout à fait le contraire hein, donc les années d'avant. Mounir. Bon, ça fait plaisir hein, de les voir parce que ils voient les ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mm. Parce que la fois, U17 après il boo xoolee ñu deful sa sélection olympique. Ibrahima a joué avec lui moom. U20 directement rek Famara sa bo xolé après équipe merci après équipe nationale donc il a eu ben trajectoire de parce qu'en football tout va vite. Mm-hmm. et ils sont à un âge mais ce c'est pas facile. Mm-hmm. parce que 19 20 ans c'est l'âge où vraiment tu sors des équipes de jeunes pour être en équipe senior tu tapes à la porte d'une équipe senior. Mm-hmm. il faut des super période noms noonu coach bu xam naka utiliser et comment essayer de garder les jeunes sur terre les pieds sur terre parce que c'est pas facile tu vas venir enseignant, tu vas claquer quelques buts, tu vas faire de très bons matchs, quelques bons matchs. Si tu ne gardes pas la tête sur les épaules, tu vas, en fait, tu vas te voir plus beau que tu l'es. Il faudrait avoir des, coachs ou bien un encadrement qui te dit à ah, garde les pieds sur terre, c'est le moment d'être plus, euh, de plus focus, de se plus concentré, c'est le moment de faire ceci, de faire ce soir. En tout cas, quitter la France et aller en championship, comme tu l'as dit, où c'est physique, c'est rigolo, je pense que c'est un saut qui demande beaucoup de courage pour le faire. Mhm. Mais aussi, ça peut permettre à l'individu de se forger et, très tôt euh, avoir euh, euh, un, mental mental d'acier, un, mental d'acier. Un mental En tout cas, moi personnellement, je ne les connaissais pas, je viens de les découvrir sur le, plateau. Mhm. Donc, en tout cas, on le souhaite bonne chance et une très bonne carrière parce que ce sont des jeunes joueurs, mais mhm. ils peuvent encore exploser. Ils peuvent encore exploser, de toute façon, on va revenir sur vous. Papouali, euh, Nino Timbour, Petite Côte. Bon, dernier Idem.

nga wara wacc wàcc euh, départ day metti mais il faudra essayer de se rendre à l'évidence daal di xam ne équipe bi fi mas a jaar yépp sauf jaraaf su ma juumulee moom dong moo fi nekk Ligue 1 ba mu yéega ba léegi wàccu te su la neexee nga jël ne MPC euh, équipe bu jeune la amu fi benn âge bi am na fi équipe yu bari ci Sénégal ñooñu mag ci euh, parcours bu ndaw bi ñuy def muy 12 ans yi yàlla suturaal nañu

jàmbaar dëgg ñu ngi koy xam su bu daanoo nu muy def ba gaaw jogaat mais daanu rek jóg toog abandonné def naa loolu du loolu du ngóora ngóora mooy daanu naa naka laay def ba gaaw jógaat bañ yàgg si suuf je crois. comité directeur u Mbour ñu jéem a seet nag nan lañ koy organiser nan lañ koy réorganiser waat ku jàpp ci ndax équipe xajul ci benn poste ñaar nit ñett nit mënuñoo yorub équipe dañuy am comité directeur boo xam ni ñëppay cotiser. ñu liste des personnes yoo xam ni weer wu dee ñu joxe seen koom buñ ko dajalee mu doon loo xamante ni da doon koppar yu takku yoo xamante ni dinañ ci mën a gérer équipe bi correctement kon nag bu ñu dajaloo waxtaan. lii may wax nii dama ci boole samay wax ak ak waxi jàmbur parce que assemblée générale ba ku ne dañ laa jox parole librement nga wax li nga xalaat wax li nga xamante ni buñ ko defee war nañoo mën a yéegaat parce que suñu wàcc bii am njàngat mu rafet la mais danu nii nañu booloo nasoo yëkkatee ndoo tegandoo ku ne làmm sa wecce teg ñun ñëpp ci bokkoon te nga xamante ni am na lu la naqari ba nga commencé fegu ñu woo la war la wan ni la ci nga bokk moo mënoo cee génn képp koo xamante ni mer nga mbaa nga gedd mbaa nga bàyyi ñu dajalewaat ñëpp ñu yëkkatee ndoo tegandoo mu doon une force boo xam ne incontournable lay doon loolu nag biñ ko defee keroog danoo jox ñëpp paral ku ne wax bi ñu waxee ba pare nag wut nañ ay pexe wut nañ ay stratégie xam ni nag première division euh, une côte trop petite pour deux clubs une fusion inévitable soo déggee loolu daaw stade de Mbour watch ren yéegaat ren Mbour une Côte watch et nee d'accord, d'accord mais yéegaat bi moo difficile que wàcc Ligue 2 chaque match final Papa, il a lan ngay wax ci je pense que la présidente a à plusieurs reprises comme ni ñu ko waxee rek ni ko doyen Mourtala waxee ak Bouna je pense que Mbour Petite Côte def nañ en quelque sorte mhm. on s'est réunis le samedi passé je pense qu'on a mis tout sur la table mhm. si sortir réunion il am une décision, il faut faut gagner. tam yan décision yu fa génn Moi, on a toutes les instances de bourse Petite Côte ont été dissoutes mhm. donc on repart sur de nouvelles bases Madame wàcc bi je me dis que nous lu baax la Petite Côte parce que ça fait quatre ans qu'il nous faisons le bi daaw moo ci donc mais à chaque instant buñ ci génnoon rek duñu évaluer duñ tok seet lan mo doxul ak lan mo taxone ñu nekkoon ci situation bi mais biñ démé nak nag li oh, tubaab malheureux bon biñ démé ba affaire ne këtt ne jot nak wacc tok nañ nak évaluer xool lan mo ñu wacc ak lan lañ wara a def ak delluwaat ci élite bi ay la yëwan nak xam nañ ne Ligue 2 chaque match final la je pense que Mbour Petite Côte du équipe bu ndaw parce que 12 ans yi ñu def euh, ci ci élite bi donc du coup dans les régions de Thiès laay région de Kaolack. la région de Tamba. de 1960 à maintenant Bour Petite Côte mooy équipe bi fa titré. déjà nous li ñu fa def Nous avons ko une jël coupe du Sénégal benn coupe parlement def ñaari tournoi africain. génn sur le plan africain deux fois. Mhm. donc ce faisant nous lu mënul woon ñàkk la xëy ci Petite Côte te damaa jàpp ne les gars, c'est le moment nous serrer les coudes on a déjà dit... mais mais quoi. une équipe qui a qui a qui a qui a gagné autant de titres mhm. mais une équipe boo ils n'ont même pas là où jouer mhm. est-ce que l'on a du contradiction une équipe pardon une équipe boo xamante ne amu pas fan de jouer est-ce que l'on du contradiction mais à 90%, les watts li stade de Mbour daaw ma Petite Côte mhm. Moi, ne donc tous nos matchs c'était à l'extérieur on avait plus de matchs à domicile donc parce que à Kaolack alors que vous habitez à Mbour. même ren boo xoolee phase aller parce que le stade n'était pas opérationnel. oui stade Caroline Faye opérationnel presque deuxième journée ou deuxième tour ok alors qu'en ce moment les carottes étaient déjà cuites pour une Petite Côte. C'est très difficile. Vous savez, les, nos équipes souffrent. Hein? Mm. Donc, Doyen là. les équipes au Sénégal, nous avons habitude de voir. Équipe du Sénégal, le championnat fille, équipe du poste président, c'est très compliqué. les mais nous li ci qui compliqué deux ans le partenariat avec les Italiens ça n'a pas porté ses fruits. il y avait la barrière du langage que nous a créé. pas il y avait les barrières linguistiques en plus de ça le coach n'était pas constamment là entre li nga xamné mo waro un partenariat c'est-à-dire mettre des jours sur le marché international ak gérer équipe il était constamment aussi absent d'accord mais comme ce que les gens ne comprennent pas comment vous pouvez avoir un coach italien n'est-ce pas c'est ça oui et et et mu réalité du football local est-ce que ce n'est pas une contradiction est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs Parce que avant ce coach-là, hmm? on avait des coachs qui faisaient nekkoon. Hmm. donc italien itam quoi qu'on puisse dire jëluñu ne nag jàllax équipe non. Hmm. accompagné avec sénégalais Ils a fait ne ñoo mais barrière langage. mais est-ce que les est que les sénégalais avaient en fait les pouvoirs pour vraiment. Non, non du tout c'est l'italien qui décidait. en tout c'est l'italien qui donc le plombé partenariat moi, l'italien il était omnibulé par coûte coûte jaay joueur jour joueur jour, joueur ce qui fait que daf doon miser souvent sur la France jeune boo xoolee ren ak Mbour Petite donc nous avons nos réalités le championnat sénégalais ku ko xam ay junior ñoo ci le football ah. ci première phase on a vu beaucoup de blessés mots focaliser focalisé woon nag ci jaay joueur jaay joueur de tax dafa une équipe de trop sur championnat de femmes ay réalité hmm. Certes, on a besoin de 80% de jeunes, mais il faut aussi 20% de jours expérimentés. à certains postes. Ouais, à certains postes, ah. surtout comme à central, etc. Gardien de but. voilà, on avait besoin de ça. Donc, l'ol tax nañu pêché, mais amna un facteur déterminant et ci yok yo xamné donc donc suñu suñu suñu cuisine interne là. Donc, cette première phase le président aussi était trop occupé par l'équipe nationale A. Moi, personnellement, je... Le président, c'est Mbaye Je rappelle que c'est le président Mbaye moi, président Bourg Petite Côte. Moi, je suis le président de la section football. L'unique session d'ailleurs, donc <laughs> vous comprenez ce que cela veut dire. Mais ils étaient trop occupés aussi par l'équipe nationale A. Personnellement, j'étais trop occupé aussi par mes activités professionnelles. Mm. C'était trop tard. On a tout fait pour remonter la pente. Mais malheureusement, c'était très difficile. Mm. Mais dans les Petite Côte, de football à l'extérieur. Mm. Dao, jouait jusqu'à Kawak. Mais Kaolak nous a réussi. Parce qu'honnêtement, à Kaolack, on n'a perdu aucun match. Et le public nous avait Mais c'est de quitter, de quitter Mbour, aller jusqu'à pour jouer les matchs. C'est super compliqué. Non, ça, compliqué. Même du plein de vue, le climat à il ah, fait hyper chaud. Mm. Bien vrai que ça nous a réussi, ce n'était pas aussi évident. Mm-hmm. En plus de ça, ça a augmenté les charges de l'équipe. Mm-hmm. Faut donc dépenser. du il ngay a ah, mais mais pas pour j'interroge hein, j'interroge en fait les fédéraux et tout ça là. Mm-hmm. on dit que le Sénégal est la première nation africaine. mais comment des équipes de Ligue 1 n'arrivent pas à jouer chez eux est-ce que leur ce c'est pas contradictoire bon moi je ne dirais pas que n'y a que football c'est au niveau de Mbour, il fallait indexer plutôt l'équipe municipale qui avait en charge la gestion du stade Caroline Faye. Ah, mais encore mieux. Mais pas les fédéraux. Mais, mais, du côté je tire souvent sur les fédéraux. Mais pour Nyaka Football de c'était un problème d'infrastructure. Mais, mais pas pour Du côté de Mbour, il mhm. y a le stade de Mbour, il y a Djambar, il y a Mbour Petite Côte, il y a Kermajor, il y a Dembodjo. Il y a Mais cinq clubs, c'est une ville. Mhm. Est-ce que aussi c'est indi Mbour Petite Côte c'était Touré Kunda. Touré Mbour Petite Côte l'idée c'était de fédérer quand même toutes les forces vives du département de Mbour. Mm-hmm. Mbour Petite Côte Bien koy créé en 2017 suñu bi c'était pour. Mm-hmm. Bien ñuy migré jege Touré de Mbour Petite Côte c'était pour fusionner Kër Madior à l'époque mm-hmm. stade de Mbour et Mbour Petite Côte ñi nga xam ne ñoo ci élite bi mais waxtaan yi antuwul du côté de Mbour Petit on a toujours œuvré pour cette fusion-là. Mhm. Le Wartali tout, c'est vrai que Binka Deftam, même si c'est bir, d'accord. Il y a trop de rivalité. Dao certes Dao. Tahiti, nous sommes en mauvaise posture pour parler de fusion parce que nous sommes en Ligue 2. Mais Dao Banchanek, mais comme cette fusion-là, ce n'est pas demain la veille. Parce qu'on a des réalités, c'est plus fort. Ce ne sont pas des réalités footballistiques, mais des réalités locales, des mhm. croyances locales qui font qu'actuellement, avoir un club de ville fort, je ne dis pas que c'est utopique, mais ce sera trop compliqué. Ce n'est pas demain la veille. D'accord. Euh, euh, Mounir en tout cas en tout cas man bi may xam c'était plus sur la relation mu nekkoon équipe boo deuxième équipe parce que derrière euh, il y avait le stade de Mbour mm-hmm. stade mu nekkoon équipe fagnon, bi mm-hmm. mais tey le xoolee Mbour Petitco dafa amoon public donc il dit quelque chose de très important mm-hmm. parce que si tu quittes Mbour pour aller jouer à Kaolack pour aller jouer à Thiès c'est compliqué les charges supporters de déplacement bi logistique donc c'est très compliqué donc loolu beaucoup boo après il y a xam ne retourner l'équipe en tout cas ce que je dis c'est simple Vous, Petit compte. SA de Mour, Kër Madior toutes ces équipes dans académie là. ils sont à part ils font autre chose mhm. mais il est temps que viennent nous, noonu dans un seen nous mhm. créer benn Mour football club wala Mour association sportive de Mour. je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire parce que tam quoi qu'on puisse dire c'est une ville bohème, c'est une ville peuplée c'est une ville passionnée mhm tey tey bu ñu amee équipe fa ñëw ñëpp ne si ginnaaw mais day neex loolu dal Casa Sport waxuma si interne woo fa de extra wala sañ tabare mais Casa Sport doole bu mu am parce que tey ñëpp a nangu Casa Sport c'est la première équipe fa ñëw yeneen équipe sont à division inférieure donc tey loolu day pousse Casa Sport ce qui est Casa Sport tey club phare là loolu aussi avec le cas avec Ndiambour Linguère et cetera et cetera donc Mbour Petite Côte bu ñu Mbour waa Mbour bu ñu bëggee am équipe bu nekk bi am dara ils sont proches d'accord il faut que tu penses à cela d'accord Ibrahima une question hein. euh, je sors complètement du sujet circonstances obligeantes, parce que c'est vrai que tu ne joues pas à la carte. ne mhm. certes ne connais pas les réalités des clubs de groupe, de Côte de tout ça là Mais hein. mhm. euh, Est-ce que tu as eu des contacts cette saison pour quitter Stock City C'est une question qu'un des téléspectateurs m'a demandé. Hein. Pour quitter Stock City euh, Il y a forcément des, sollicitations à, tout moment. Euh, mon agent reçoit des, appels de certains clubs pour des renseignements, pour savoir euh, le type de contrat que j'ai, pour voir s'ils si, peuvent me recruter. Donc eu des, petites sollicitations, on va dire. Et un retour en France, c'est possible Un retour en France euh, À l'instant T À l'instant T, ce que je cherche, moi, c'est jouer en équipe première. Mm. Pour l'instant, ce que j'ai en tête, c'est le faire à City, c'est le club dans lequel je suis et on verra ce qui se passera pour la suite. Et le coach de l'équipe première t'a contacté, il est venu te voir, il t'a parlé, il t'a encouragé à fournir énormément mhm. d'efforts pour éventuellement intégrer l'équipe première. Pourquoi pas jouer un match face à, face à, face à Ismaël On ne sait jamais. Pourquoi pas bah, Écoutez, comme je vous ai dit, j'ai été pas mal de fois au contact de l'équipe première cette saison avec les entraînements, etc. Donc forcément, j'ai eu à, parler avec le coach de l'équipe première. Mhm. Donc ce qui revient, c'est que voilà, il aime bien mon profil, mhm. mais euh, ce qui va faire la différence, c'est mes performances comment je travaille. Quel est le joueur qui, t'a le plus marqué à Stock City en équipe première euh, Obi Mikel. Obi Mikel, il était là la saison dernière. Il était venu, il est resté qu'une seule saison. Mais euh, on connaît tous de toute façon que le, joueur que Johnny. il a fait une carrière exceptionnelle. Et quand, quand, on le voit jouer sur le terrain, on voit directement que c'est un joueur d'une autre dimension. Mm-hmm. À part John Obi Mikel euh, Franchement, c'est le seul joueur qui m'a marqué vraiment à Stoke City. D'accord. Un joueur d'une telle dimension, c'était exceptionnel à voir. Ah, d'accord. En termes même de rapport, il vient parler aux jeunes joueurs, il leur donne des conseils. Oui, comme c'est. C'est un vrai grand, quoi. Exactement, étant donné que c'est un joueur expérimenté, il a tout vécu dans sa carrière. Donc euh, voilà, il venait parler aux jeunes, aider un petit peu les jeunes. Je suis milieu de terrain, il est milieu de terrain également. Mhm. Donc euh, voilà, ça, arrivait qu'il vienne me voir, me donner quelques conseils. Mhm. voilà. Et ça te faisait quoi de voir un joueur, Obi Mikel, qui a joué dans de très grands clubs, mhm. pour ne pas citer Chelsea, le Nigeria, le grand monsieur Obi Mikel Qu'est-ce que ça te fait d'entendre des conseils venant de John Obi Ça me touche, ça me touche directement, parce que voilà, je me dis que s'il vient vers moi et qu'il prend la peine de, me donner des conseils, de parler avec moi, d'essayer de m'aider, c'est qu'il voit quelque chose euh, en moi. Donc euh, voilà, ça me touche énormément, je prends tous les conseils qu'il me donne et ça me permet de m'améliorer. D'accord. Euh, Mamadou, nga dégg Diao de Keita yaa ngi wax léegi Sampdoria mu samp nga dégg euh, Mamadou Loum Ndiaye entre autres. Mhm. ban Sénégalais moo marque gëna marqué championnat italien. Italien Koulibaly. <laughs> Ah. waxuma ko je ne l'ai pas dit dans doon bàyyi nga ko sa Kalidou. lan moo la gën a marqué ci Kalidou Koulibaly. kii Kalidou presque caractéristique yëpp yi mu am pour man ci défenseur yi gën a fort ci moom ci première na ci. ok te niveau bu niveau top. Mhm. Le euh, Sénégal les Coupe d'Afrique des Nations la question si je te poser ça le euh, Sénégal Sénégal les Coupe d'Afrique des Nations au sein de de seen centre yeeg du match yi ngeen euh, aperçu le ci joueurs yooyu wala italiens le am bi ngeen fa Sénégal Coupe d'Afrique des Nations a bien qualifié Coupe du Monde. Dès comprendre moi. ah bi bi Sénégal jëlee ko mais mais no Mamadou man je ne parle pas italien. <laughs> moo tax waxtaan bi tey dina xaw a naqari. Euh, dama ne bi Sénégal jëlee coupe d' Afrique. ba ñu qualifié aussi coupe du monde dans la foulée gagné Égypte ñaari yoon. Euh, bi nga bi nga demee en traitement lan la la lan la la sa sa sa sa sa gars ñi doon wax foofu. mais Europe surtout Italie moom euh, Sénégalais yi ñu ne leen kii ñu noo neex italien yi moo tax ñu noo kontaanoon sax ci. qualification au vichy du Sénégal gagne la Coupe d'Afrique b on content. presque comme ni non. Mm-hmm. et qualification Coupe du Monde de Ouais, la même chose. Même chose. D'accord. Ibrahim, quelle a été la réaction des, Sénégalais, je dirais même de tes partenaires en club, mm-hmm. euh, euh, quand le Sénégal a gagné la Coupe de football, Nations, et même mieux, quand aussi le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde dans la foulée euh, Déjà, le, jour de la finale, mm-hmm. Dans les vestiaires. comment tu as vécu ça voilà Déjà, comment j'ai vécu ça Forcément, c'était euh, un sentiment indescriptible parce que c'est l'histoire qui s'est écrite ce jour-là. L'histoire qui s'est écrite, c'est tout le peuple sénégalais qui a ressenti quelque chose d'exceptionnel. Et euh, j'en ai pas fait l'exception. Moi aussi, de mon côté, à Stock City, j'étais chez moi, je criais. J'étais très content et ça m'a donné encore plus envie de travailler pour essayer de un jour atteindre euh, cette équipe et écrire l'histoire avec eux. Et quand tu n'avais pas Matassar, qu'est-ce que tu lui as dit Félicitations. Mhm. Félicitations, c'est un, très beau parcours. Mhm. Et voilà, je l'ai encouragé. Mhm. Allez, d'aller prendre de la semaine. Euh, une question pour les deux. D'accord. Euh, Sadio Mani qui quitte l'Angleterre pour le Bayern de Munich. Quel sentiment Je pense que c'est un, bon choix. Je pense que c'est un bon choix, très très bon choix pour lui. Bayern Munich, c'est une très bonne équipe, mhm. une équipe de, son standing aussi. Il était l'ambassadeur de tous les Sénégalais en Angleterre. Hein. Bien sûr, bien sûr. Euh, vu les performances qu'il a mhm. réalisées avec Liverpool, Southampton, entre autres. Bien sûr, le Sadio Mané Il est devenu une icône. C'est ça, une icône. Mais mhm. voilà, il faut qu'il pense à sa carrière aussi. Et je pense qu'il a fait le bon choix. Euh, Kalidou Koulibaly, en tant que Sénégalais, bonne fierté kii turu Sénégal moom euh, na kii pour Italie te te lu rafet la parce que ñu gis joueur sénégalais bu am niveau boobu day day joxe fierté te même. d'accord euh, Mounir nga touché ci dara balaa ñoo dem ci Souleymane Télé de la semaine. waaw bon ça fait plaisir parce que c'est des ambassadeurs en tout cas man. plus plus pour ça, et euh, pour Koulibaly Koulibaly aussi il est temps aussi qu'il. non il est Bavarois xam c'est un grand Bavarois. non non non non Bavarois non. non ah, ah, message non. objectif. C'est ça. ci bu ñu non non gars avant tout moi, je suis spécialiste de football. donc c'est moi wax suis football. Ah, il faut que xam quand même non objectivement. c'est parce que je suis supporter du Bayern que je vais pas dire quelque chose qui est positif. Mm. tout le monde sait que ce que le Bayern peut offrir à Sadio Mané. Mm. aucun autre club ne peut lui offrir. Mm. il y avait quoi il y avait le PSG qui était sur les rangs. une équipe faite de superstars. si si le Sadio Mané s'est signé au PSG je suis sûr que les caprices de Neymar et, le désir de Mbappé, c'est au devant de la scène, mhm. plutôt que son talent. Au Bayern, on lui a proposé mhm. un projet et demande a adhéré au projet. Mhm. Et on a un jeu vertical, on a un jeu qui est fait sur le côté et ça arrange ça Et un, un, football qui est purement euh, euh, offensif. offensif. Donc ça lui va. Donc son un championnat à lui. Parce que c'est un championnat où les équipes cette équipe essaie de marquer au but plus que c'est Donc quand les gens allent dire oui, ce matin bain le tour, ce matin bain mais ils connaissent le football et ils disent le football comme ils le pensent Effectivement, c'est important. Non, les supporters des autres équipes, arrêtez de dire que le Mounet est un supporter de Raoul Nen l'a bas quoi. Voilà, voilà. Raoul Nen là-bas. Raoul arbitre. Euh, de la semaine, c'est tout de suite avec Suleiman Diagne. C'est parti. Ligue de la semaine avec Souleymane Diagne Souleymane euh, nga vainqueur de la coupe du les vainqueurs de la coupe du Sénégal de ces euh, dix dernières années. oui Mbaye ils ont remporté cette trophée qui regroupe une soixantaine d'équipes euh, la coupe du Sénégal et parmi eux mën Japoni, ni Casa Sport Kunda en 2011 Casa Sport 1-0 HLM Renaissance HLM Dorco 4-0 4-3 euh, par au but Jaraf Casa Sport en 2013 2014 Ice Pikine Djel Olympique Dangor. Génération Foot Casa Sport Génération Foot Moti Amdam NGB Nya tali gagné ki nga Sport en 2016 en 2017 Mbour Petite Côte Moko Djel Stade de Génération Foot 2-0 contre Renaissance Tenget Football Club 1-0 contre US Gorée en 2021 Kazasport, Moko Gadou, Momo le tenant du titre et les Kazassais vont devoir défendre leur trophée face à l'étoile de Lusitana ce dimanche 18h au stade la de Thiès. effectivement au stade de Thiès je rappelle que tu es natif de Thiès mais la rumeur de la semaine là, la il s'agit de Youssouf Dabo qui serait courtisé par le club de la Médina Guinaonak, pour démissionner démissionner démissionné football club. Euh, Youssouf Dabo vainqueur du championnat sénégalais la saison précédente qui n'a moi, ni nag moi ASC Jaraaf moo Mirmidal, avancé dans le trop l'international Mirmidal trop il se dit même à 95 que Youssouf Dabo sera le prochain entraîneur du Jaraaf de Dakar euh, les joueurs les mieux payés en Afrique Oui, après avoir euh, rejoint le Bayern, Sadio Mané devient le joueur le mieux payé en Afrique, euh, derrière lui, Mohamed Salah, euh, l'Égyptien. Après Mohamed Salah, qui Riyad Mahrez, moi du top, avec 200 000 euros par semaine. Thomas Partey et Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain. Euh, c'est vrai, machallah pour ce jour-là. Je n'ose même pas dire le montant que Sadio Mané touche par mois. Parce que gars, cette année et ça va. Des, des chiffres, en tout cas, c'est plus de 400 millions par mois, plus de 500 millions par mois, plus de 600 millions par mois, plus de 700 millions par mois. Et je vous laisse deviner. Euh, de la semaine. L'international sénégalais Ahmadou Bamba qui a été choisi par la Ligue 1 comme la pépite de la saison, à 22 ans, l'attaquant des Lions de la Teranga, qui a disputé 25 matchs avec l'Olympique de Marseille, il a délivré une passe décisive. Et cette réalisation avec l'OM qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Merci à qu'ils deviennent aussi les pépites aussi de leur championnat respectif, que ce soit l'Italie ou l'Angleterre. Euh, les moments fun du foot, euh, oui l'international parfois on assiste à des scènes de spectacle ni football ne pas le avec la complicité de la régie cette année année vidéo bi euh, ki Bara nos deux nos deux invités Bara et Ibrahima vont donner leur avis par rapport à cette vidéo a vu ce genre d'image. Hein. Je salue aussi euh, Ibrahim Baldé, est un futur grand joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Bien que Niwa Guinée, ils, voudront le récupérer, mais non, il jouera pour le Sénégal. Ibrahim Baldé. Euh, Ibrahim, Momodou, est-ce que genre cas yi du football am supporter bu de ci biir terrain Sango? leen a song. ko euh, match am Il a fait terrain après non presque ñu ni taxaw jeu bi jël euh, jël nit bi la les stagiaires. ñoo ko génnee hein? ah. D'accord. vous une fois arrivé d'assister à ce genre d'événement, euh, euh, en plein match. un supporter qui rentre. jamais un supporter j'ai déjà eu un chien. Un chien mais, mais pas un supporter. mais qu'est-ce qu'il a fait le chien. il est vu sur le terrain il a couru derrière le ballon mais bon. Et eh, après, c'était un grand chien ou bien un petit chien ben, Un petit chien. De toute façon, en Angleterre, on ne touche pas au chien. On a vu ce qui est arrivé à Kurtzuma. Ah, c'est ça. Avec son chat, c'est devenu très, très, très, très compliqué pour l'international français. <laughs> Est-ce qu'il va même redevenir international français Ça reste à voir. Euh, vous mu ne ko loolu nga ñu à que téléspectateurs l'international c'est de la semaine dañ koo quoi au cœur du 12 12e gaynde xam naa damay bàyyi Pape rek mu yëngal su ko defee ñu jox rendez-vous yu téléspectateurs yi ba jeudi incha allah jaajëf <laughs> pour l'œil de la semaine. Merci aussi aux 12e Gaindé qui sont toujours présents. Je dis tout le temps que euh, ces sonorités nous rappellent les grands stades, que ce soit en Russie, voilà, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, ou bien même Stade lors de la qualification à la Coupe du Monde. Follet, c'est Qatar 2022 encore une fois on ne vous remerciera jamais assez le deuxième guindé pendant 90 minutes vous tapez vous exhortez les joueurs sénégalais à se surpasser c'est très très important les supporters ça détermine je dirais même ça pousse les joueurs à aller et ça les tire vers le sommet le portrait du jour il est certes assis à ma droite le directeur sportif de Mbour Petite Côte mais Ababakar Tunkara nous a fait le portrait de Pape Wali et c'est parti et c'est tout de suite Pape Wali Faye, Faye diront certains. Mais ce fils de Tchadia est l'exemple de l'ancrage de ses origines, un digne fils de son terroir qui a fait du football plus qu'une passion. Ce président, directeur général de la société Gamine Logistique, est aussi très pragmatique et tactique dans la perception du sport. Véridique, bénévole, notre jeune président de la section foot de Bourg-Petite-Côte n'est pas du genre à se cacher derrière les prétextes. La preuve en date, Wali au lendemain de la relégation de Bourg-Petite-Côte, a avoué que les responsabilités sont internes et qu'une prise de conscience est nécessaire si aujourd'hui l'indisponibilité du stade Caroline Fay est une des causes de la relégation du club, le plus titré de faye Faibirum a souvent essayé de sauver l'immeuble en sortant de sa propre poche. Si le football est un sport d'équipe, il y a aussi des individualités qui illuminent une équipe, des joueurs emblématiques, des titulaires indiscutables. Aux côtés de ses aînés, le natif de Tchadiaï a appris et s'est donné le temps de comprendre, d'entreprendre et de se projeter. Car aujourd'hui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Essayer de se projeter encore une fois et de projeter à Bourg-Petite-Côte vers la Ligue 1 et qui sait, peut-être au titre de champion du Sénégal. En attendant, Pape Wali, derrière ses lunettes, a fait le diagnostic et peut-être même encore l'analyse pragmatique et également très soutenue euh, de la perception du football bourrois. Avec certitude, il aura forcément son mot à dire, car lui faire dire, c'est qu'il n'y a jamais rien à dire. Pape Wali n'est jamais dans le déni. Il essaie de manière concrète et plausible d'apporter son expertise, mais également son aura footballistique pour le développement et le rayonnement du football bourrois En témoigne, bien entendu, son entourage. N'est-ce pas, Ouza ce que ça fait C'est du craché. Hein. Là, je suis, à la fois ému et flatté. <laughs> Je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que c'est la surprise pour moi. Donc, euh, c'est flattant hein, de recevoir des honneurs. Hein. Donc, euh, Donc, souvent, c'est gênant pour moi. <laughs> Donc, mais franchement, le je ne trouve même pas les mots mais en tout cas c'est ça fait un bon au cœur quand même. ça fait un bon au cœur euh, dañuy dem jëli euh, quelques témoignages euh, du côté de Mbour. ñi nga xamante ni Babacar correspondant DTV TV ca c'est parti pour les témoignages Nous, nag jël appel important. parce que xam na ne doomu koñ bi la xam na ne doomu Mbour la muy muy Touré Kunda MPC stade de ak ma euh, gravité autour du sport manam fep mi ngi fay def loxom biñu waxé biñu waxé défar euh, défar stade bi mom mo jël 2 millions def pour ñu réparer stade bi kon koku def ko pour MPC da ko pour la jeunesse mbouroise kon euh, waxuma football bi rek mais même dans la vie active jàkka suñu jàkk yëpp moo ko réhabilité peinturaat defar carrelage defar ndox defar courant defaraat lépp parce que dafa am société am nga xamante bi mom moom directeur général bi té lam fay amé akus new mu ngi koy indi diko ko bokk ak wa dëkk bi kon koku duñu def lu diko ñaanal diko encourager encouragé Pape Waly amna ay moyens né dama bëgg jàppale doomu aadama yi yàlla sama borom moo koy jàppale toutes les religions révélées wax nañu lool bu la yalla joxé lu mu tuuti amna noko na noo investir ba doomu aadama yi gis seen bopp kooku moom dañ ko wara a ñaan ñu mel non nak mo ñak ci sport bi des missi comme ça ño xamne dañu bëgg football bi dañu bëgg sport bo lu ñu am ñu def ci sport li bon wax rek c'est un garçon à féliciter te dafa def loxom fu nek def na loxom ci jakkay def na loxom fu nek fo xamne ne fépp sentir na ne bu fa defee loxom mën na jëriñ doomu aadama yàlla na fi yag lool te and ak wër pap Waly dal man mang koy tirer chapeau na fi yag rek kopparam fekkewu ko il a mis des centaines de millions au niveau de l'équipe ah kooku man lu leer laa équipe dafa cher pour ne xam nga ko mu ñëw amu ci lu muy bañ amu ci lu muy lu muy seetlu dafa ñëw jël xaalisam di ci ba Jamil Jamil Jamil Jamil Jamil Sponsoring mu doon un sponsor leader donne bokk sponsor donne président commission sportive di jàppale équipe bi ba pare bañu ci dara di ci def xaalisam di ci def temps ba pare bëgg équipe bi xër ci mais man dama ni vraiment affaire dama metti parce que lim ci daj lépp ak yaakaar bi na amoon ci moom yàlla ñëw ak dogalam parce que nit ki jaam ak pexem yàlla ak dogalam bu ñu wàccee je crois que moom amul dara luñ ko boo gisee keroog assemblée générale il était à l'aise parce que équipe bi wàcc na naam waaye ñi ngi ko séqaloon amul kenn ku ko ci mëna def duut baram ci lenn du ci kopparam du ci komam du ci détermination du ci engagement du ci respect bu mu jox nit ñi. c'est important ces témoignages ñooñu nekk ci euh, comité directeur Mbour Petite Côte la mais on prend le président euh, du club Mbour Petite Côte euh, muy le président Mbaye Diouf Dia président nuyu nañ la. mais maa ngi leen di nuyu. di nuyu waa plateau bi yëpp. Mhm. di ci mujjee waale di ci jiital mon ami Mounir. Mhm. parce que nag euh, li naan professionnel du sport la. Mhm. raisonnement bi mu wax léegi ci Sadio ci Bayern bi ci Ameta dañ ci dellu si. je lui ai redonné dix sur dix ci événement boobu. donc euh, vraiment yal na yàlla dafa leen jàmm parce que l' émission est suivie. Amour, d'abord ci réseaux sociaux tu ci y parce que tu as invité un homme d'une dimension exceptionnelle. Mm. donc mënuñ ci woon que Dougou, de xaar ma question yi Président la première question une une conférence de presse bi par rapport à la finale de la coupe du Sénégal dimanche entre le Casasport et l'Uzitana. Euh, rapidement en une minute deux minutes si mënee ñëw euh, les tarifs la préparation entre autres rapidement. Oui, nous sommes prêts, parce que nous euh, dañu wañ un bi parce que dañu waron dem ci stade du Abdelmaître, Maître Président Abdoulaye Wad bu jam donc euh, pour les cadets et les juniors 16h lañu jouer 18h 18h ñu avons 30 minutes plus mi temps mais 45 minutes pour les juniors, ñu dem sen deuxième 18h30 donc billet a ñaari match 500 la découverte mmh. virage plus tôt, 1000 francs découverte 2000 francs lañ de ci tribune parce que tribune Bob dafa ndaw invitation le pour loger mhm. équipe bu 1 1000 francs le virage 2 2000 francs découverte 5000 francs couverte 15000 annexe loge la loge moom dañ ko corridor pour invitation parce que trophée au monsieur le chef de l'état là donc euh, places, 8000 places monnaie qui stade 7000 billets donc la réserve de sécurité parce que FIFA CAF ñoo demande il faut 0,70 à 1% de la capacité donc disposition est dans la ligne maintenant Les Maintenant, pour qu'on ait une très belle finale Inch'Allah. Inch'Allah, qu'on ait une très très très belle finale président président Mbour Petite Côte Mbour Petite Côte deuxième division euh, quel a vraiment été le problème cette année. Ouais, mais diagnostic ça, ça jarul parce que li ñu wax mooy fois, euh, je jouer à Kaola, quoi deuxième division Stade de Mbour dem à Fatick waa deuxième division Nous, sommes dem kaola on s'est sauvé de justesse ren avait terrain bi ñu ko am ni dem c'était inéluctable li dernières ñaari tali ci Demba Diop boo équipe wàcc yëpp 90% terrain la li ci def quand même qualité joueur comme il a dit le président de la section de football légui waaye ñu am des entraîneurs italiens misé woon sur jaay joueurs deux ans de corona donc amuñu ko lu ñu dem parce qu'ils ont beaucoup investi dans le club aussi donc loolu boko bolé cumulé ak ñaar mais loolu nak day permettre amna ko ko wax sànq moi je préfère comme disait le président Mbaye Ndoye yal yalla yàlla le de ci fa Nek, football. ndax moñu jangal football bi daanu mom kenn mënu ko bañ mais daanu gaaw a moy ngor hmm. donc loolu la wax mission biñ le président de la section de football bi une réunion Je j'ai pas convoqué ni le bureau ni le comité directeur dama wote assemblée directement sans réunion pour que ku nek wax li nga wara a mais à l'unanimité les gens d'accord nañ ci ne ñun ñoy équipe bi gëna boo fi jëlee Casa Sport table bob ngeen woné légui 2010 ñoo gagné coupe bi 2011 ñu dellu final à Casa 2017 ñu gagnéwaat ko donc def nañ trois fois final gagné ñaari def ñaari coupe d'Afrique dem donc palmarès bi équipe bu mag mom ñu nga koy xamante palmarès. Mhm. donc à part Jaraaf ñëpp dem nañ deuxième division man mi yor Douane xam nañ ci dara Gorée xam na ci dara jambar xam na ci dara Stade de Mbour dem na ñaari yoon deuxième division équipe lool donc li ci des daal moy téle a teel jël toutes les dispositions pour que ñu mën a dem na am nañ ci yaakaar nag parce que xam nañ liñ ko seetal. Mhm. xam nañ li tax aussi ñu ne Pape Waly moomu président section football bi. Mhm. la preuve kenn ci ñoom ni ko supporters yi waxee ngaañ ko ne yaa yàq équipe wala yaa def lii wala yaa def nangam. Mhm. parce que dañ ko teel a préparé quatre ans mooy président ASC nawetaan bu koñ ba muy ASC Santa Su. mu gagné lu bëree bëree bëree ñu indi ko nag yéegal ko ci section bi defe naa ni renouvellement de la génération yi Sénégal dina compter ci niñ defoon ci commune ay ministre Ablaye Sow bañ koy jëli Kaffrine di ko indi ci kanam Momar Ndiaye Wagane te CCPC hmm. je peux vous dans les années à venir di nga yoo xam ne compétent nañ pour raybu football bi mën am njëriñ loolu moo ci gën a dugal d'accord président ñu dalal ñaari xale yaa ngi seetaan émission des jeunes ñu indi leen ci émission bi yéen ngeen di ay dirigeants rawatina ngeen nekk ci fédération sénégalaise de football qu'est-ce que ça vous fait Bon, bon sentiment ngeen ci am. sentiment de fierté rek bon comme moom dama ko doon dégg souvent ñu ngi suivre de très près. Mhm. parce que man ko xam na ce qu'on a fait depuis 2009 ci la petite catégorie xam nañ ci dara. Mhm. Ibrahima moom jaruñu koy présent parce que joué déjà dans les sélections de jeunes. Mhm. Papa, aussi, on a travaillé dans le même ministère parce que j'étais conseiller technique du ministre des Infrastructures. Papa suis directeur général faut ci ñun. Mhm. sport famille bug sport pour mu moment donc nous comptons sur cette génération avec cette Paris 2024 qui s'annonce à mhm. la Coupe d'Afrique yi di mhm. Ibrahima ak Toubam defe naa à ci génération les petites petites catégories dans le monde. ce qui fait d'ailleurs que pour nous, dem une City. donc nous réel des palmarès bon bari na fa jaar ci ay Sénégalais même bi ñu dem Londres ñun nous City lañ préparé ak Salif pendant pendant trois semaines. Mm. les huit terrains mis à notre disposition ak coach Karim ak Aliou Cissé. Mm. loolu war nañu ne rek la génération nouvelle bi ñu am ni amuñu crainte sur la relève qui doit arriver dans l'équipe ah, inshallah merci beaucoup président di contane bu baax baax ci disponibilité bi encore une fois merci président Mbaye Diouf et bonne chance pour dimanche pour la finale de la coupe du Sénégal le Casa Sport face à cette équipe de Lusitana merci président. merci bien. Mm.

te non la démé et depuis lors tam di remercier ci confiance mi parce que amna ñu mo fa jitu am ñu mo fa expérience donc bu yëkkatee lepp tek ko sama loxo lolu yaakar mënu ko gëna reuy d'accord ñaan yalla nak yaakar boobu yalla bu mu tas vous avez entendu le président Mbaye Diouf dégg nga président Mbaye Diouf de lu wax ya ya Dakar 2024. Ibrahima, vous avez entendu le président euh, de Paris 2024. Vous avez entendu le président mm -hmm. Mbaye Diouf Dia ce qu'il a dit. Donc il faut que gagne d'efforts par rapport aux échanges à venir. Mm Le 11 de mai, c'est tout de suite. Il y a un 11 que je concocte chaque semaine. Bon, pour Ben 11, là, cette fois-ci, on a fait un 11 tout de suite. Le 11 que j'ai fait, euh, c'est pas définitif, c'est pas le même 11 qui revient. Comme gardien de but, j'ai pris Edou Mendy dans l'axe central, Skriniar et Thiago Silva. Euh, à droite, Alexander Arnold. À gauche, Alaba. Au milieu, euh, Casemiro du Real et Franck Kessier, le futur joueur du Football Club de Barcelone. Comme honneur, le natif de Rosario, Lionel Messi. À droite, Sadio Mane À gauche, Bernardo Silva de Manchester City, annoncé du côté du Football Club de Barcelone. Et devant, probablement le futur Ballon d'Or, Karim Benzema. D'ailleurs, Papouali c'est un 4-2-3-1. Si c'était à changer, quand il changer Khalidou Koulibaly à la place de Thiago Silva. D'accord, c'est légitime ok. C'est le seul changement euh, Oui. Ok. Mm -hmm. s'il si, si y a un joueur à changer, tu mettras quel joueur à la place Un joueur à changer, euh, N'Golo Kanté à la place de caissier. N'Golo Kanté à la place de caissier, ça se comprend. Mm. D'accord. C'est tout C'est tout. Euh, personne ne change ici. Quand tu change ici? Bernardo Silva. Place quand tu as Sané le roi Sani. Hein? Après Cannes encore, c'est bon Oui, c'est bon. Hein. Mounir, selon change, il faut quoi changer est-ce qu'il a J'aime bien le président parce que c'est défense de sous-côté. Il est trop bon. Il est il est dur sur l'homme Ouais, physiquement, il gagne. C'est pas la gagne. Je mérite que qui vient de signer pour le Real. Mm il a plus joué dans l'axe que sur le côté. Mhm. Donc, je vais mettre Robertson de Liverpool. Mhm. Qu'est-ce qu'il c'est Qu'est-ce qu'il Je vais mettre Messi parce que même cette année il a été mouru bon 4 buts dugal Ligue 1 mu indi Son teg ko côté indi Silva dans l'axe le reste le reste comme ça d'accord Aïcha euh, le temps additionnel c'est parti mu ngi may le temps additionnel le temps additionnel ce sont des images que je vous montre maintenant il faut être rapide da di pour voir ma canne. ak kan ak kan ak waaw bàyyil su gan yi mënut wax après nga ñëw ci rawul nee day bëgg wax des fois Raoul arbitre Soukra néna na damay bëgg di wax mais mun yi dafay sàqami sama lañ té da ngay bàyyi gan yi <laughs> su gan waxé paré après su fekkante ne trouvé après on te donne il y a des images qu'on va qu'on va qu'on va qu'on va qu'on va vous montrer sur le eh. plateau mhm. et sur l'écran temps pour moi et maintenant vous allez nous dire les joueurs euh, c'est un c'est un joueur qui a joué pour le Paris Saint-Germain mu même yow bi bokk ci euh, ah bokk qui euh, euh, après il a été entraîneur de Alanya. je l'ai suivi à Alanya quand Alamin Gassama était là-bas. je l'ai vu coacher. C'est très un très grand monsieur. Ça fait physique, effectivement il est de la Bosnie. Il j'ai une une image une image. Euh, il a eu un accident terrible en 1993. D'ailleurs, même son contrat, le pape a tellement parlé. C'est qui Lentini. Lentini, effectivement. Si tu, vous problème. C'est vrai que c'était un excellent grand joueur, mais accident. En 1993 qu'il a eu cet accident. Euh, à l'époque, nous avons 15 millions d'euros, équivalent maintenant presque à, 100 millions d'euros. Qui euh, calme il était du côté euh, de Metz football club de Metz un excellent meneur de jeu Meneur de de milieu, ah, il a joué avec Metz. il a été gaucher il a hein. été il a été il a été un joueur de euh, Joël Muller. Hein? Mm-hmm. Sylvain Katzendeutsch il a joué avec ces joueurs là. qui mon moins euh, Mérieux. vas-y. <laughs> Ah. ah ça c'est ça c'est ça c'est un Uruguayen un attaquant. Milito. Hein? Non, c'est pas un Milito. Il ressemble à Milito, mais c'est pas un Milito. Non, c'est pas Recoba. Euh, Hein? Non, pas Higuain. Qui pas euh, Lui, Zidane, moi, le tourneur Enzo Francescoli. Ah, On l'appelait El Principité. Ah, ancien joueur de, l'Olympique de Marseille. Euh, Zidane, tout d'homme dit Enzo, c'est Enzo Francescoli. Vas-y, indique-le. Un Enzo pas en cacher un autre, mais qui c'est un Belge il s'appelle Enzo Chifo. Ah, mon ancien joueur de l'AJ Auxerre, euh, ancien joueur aussi des Girondins de Bordeaux. Et maintenant, il a fait les beaux jours de l'AS Monaco. Hein? Mon Agnon Baros. L'équipe belge 98. Oui, si, si, Agnon Marc Villemot. Il a joué Agnon Vilmot et tout ça là. Robert ah, faire comme coach. Voilà. Indil Maberen. Les frères Penza. Ah, non, non. Non, non, ah, Pour Belgique, quoi. Ça, c'est un joueur euh, nigérien. Il a remplacé Georges Funidu du côté de l'Ajax d'Amsterdam. xaaral c'est pas Baba Yawo non non Tijani Baba Ngida Baba Ngida voilà Tijani Baba Ngida bon c'est fini c'était le temps additionnel. Euh, ah ça c'est des jours vous n'étiez pas né hein. ah c'est des jours mais quand même il faut un peu revoir euh, les jours et pour bien suivre. <laughs> lii la ma Mamadou <laughs> Mamadou Ngom lan ngay tàggatoo ak téléspectateurs et lan ngay wax les sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan ak waa Pikine surtout. nuyul paa bi de parce que paa bi nga àndal mu ngi ci biti soo ko nuyul nga lay de. <laughs> non maa ngi nuyu maa ngi biti di ma xaar. non maa ngi nuyu ñëpp di di leen remercier. Mm-hmm. di di ñaan football sénégalais bi continuer di. Mm-hmm. di évoluer comme ni mu ne euh, comme ni muy def ci année yi. Mm-hmm. ndax olof bi moo tax li may wax. du ah, nuyul en italien tàggul gars en italien alors. saluto tutti, vi ringrazio per l'opportunità di essere venuti qua e sono molto felice di essere qua. Sono contento che la nazionale comunque sta avendo dei grossi successi, sta continuando a migliorare e spero che continui così e spero di farne parte presto. D'accordo. Merci beaucoup Ibrahima ku ne la ñu mën rek la nga nàmp moom ngay tari. Ibrahima Sy, ton dernier mot Il faudra saluer aussi la maman parce qu'apparemment c'est elle qui t'a ramené. Hein. c'est ça, c'est ça. <laughs> Euh, merci déjà à tous les téléspectateurs. Merci à vous également de, m'avoir reçu. J'ai passé un, très bon moment et j'espère qu'on se reverra très bientôt sur les, sur les terrains. Ah, on se reverra très bientôt et bonne chance aussi à vous deux. Hein. Merci beaucoup. Euh, Ali, euh, <laughs> ak di gërëm wa Mbour yëpp rek. Mm. témoignage yi j'en suis vraiment flatté. confiance bi waaw ci confiance bi tam di remercier le président Mbaye Diouf Dia. Mm. parce que c'est pas évident. Mm. donc MPC daanaka ñi fa gën a nekk ndaw ci laa bokk. donc bu jëree yenn responsabilité. yi confié ma ko. donc yaakaar boobu daal yàlla bu mu tas. Oui, bon, je souhaite le meilleur et bonne suite de carrière à nos footballeurs. En on espère vous voir très bientôt avec l'équipe nationale, que ce soit U23 et l'équipe nationale A aussi. Ça peut le faire, il faut juste y croire et faire de bons choix, vous entourez aussi de très bonnes personnes. Parce que tout va vite en football. Regardez avec Sadio Mané, il n'a peu nulle part. Nulle part Donc euh, tout va vite, il faut y croire et tout va aller vite et vous pouvez fait de très grandes choses. Mm. Ça fait un plaisir de renouveler Pawali, mm. Mm-hmm. tout ce qui fait du côté de Mbourg. Euh, je profite de l'occasion aussi pour saluer un ami à moi qui est du côté de Paris, Mam Tcherno Gueye. Mm-hmm. Donc Mam Tcherno, maa ngi lay bëggee la ziar euh, mm-hmm. yàlla na la yàlla dafa jàmm. jaajëf bro. jaajëf euh, merci à Pasteur ak ki nga bien euh, euh, euh, Raoul arbitre ak Darou, ah Daaru aussi ñu ngi koy jaajëfal. De contact, à nous, merci les téléspectateurs merci à Moumoudou. Hein. Ah, bonne chance hein, pour la suite. Hein. merci faut toujours savoir que le Sénégal est là. Hein. Euh, Ibrahima vraiment aussi, bonne chance à toi aussi par rapport à, la nouvelle saison qui arrive. Merci. Pape Wali, jërëjëf kontaan trop ci ñëw et gis aussi les nga xam moins mooy témoignage nous mm-hmm. nga redoubler d'effort daal am na ci solo. on a tout entendu Amener comme ça xam ne sax <laughs> merci aussi au président de la NPS merci au président Mbaye Dia aussi qui nous suit depuis lors et ci participation aussi à, tous les téléspectateurs xam Fila et laay Mounir merci à Souleymane Diagne et à toutes les tout de suite. Il y a une autre émission qui arrive, d'ailleurs, c'est la première qui sera animée par Louis Tinassagna. Ne bougez pas, il y aura du politique, il y aura aussi du social. On parlera aussi du pays. C'est tout de suite. Le deuxième gagné, on se donne rendez-vous euh, très très très très bientôt et que une bonne chance aussi à vous aussi par rapport aux échanges à venir. Je veux que vous nous dites, vous nous faites quelque chose pour xamanteni que vous faites le comme vous avez l'habitude de le faire, c'est parti. Mais nous nous, nous rejoindre len vous et c'est parti, on va aller les rejoindre. Thank you.